Kendrick qui part. Et ça passe. Et ça passe, Yakuba. Cette équipe est décidée, Yakuba. Cette équipe est très décidée. Euh, le numéro 7. Ayoub Nouhi. Ayoub Nouhi. Qui réussit, qui réussit, qui réussit. Comme son équipe, hein. Qui est de Belgique. Ouais. Qui réussit comme son équipe. Et donc, je trouve que pour le moment, pour le moment ça, marche super bien. Ça marche super bien, super bien. Il a pris le rebond, il a marqué le numéro 15. Voilà, c'est Soufiane. Soufiane. Qui permet, non, pas Soufiane, Soufiane, bien sûr. Abaka qui permet donc à Petro de se rapprocher un tout petit peu, mais l'écart reste le même. 31-41 pendant que ça reparaît du côté. Encore le numéro 7. De 3, non, non, non, non. sa main sur la balle. C'est fini, Yakuba. Non, je pense que c'est fini pour la, fin de ce, deuxième carton entre Petro de Luanda et Fus de Rabat. Cher qu'on l'a vu, les Marocains novices dans cette Basketball Africa League, leur premier match de la saison. 4. Leur premier match dans cette Basketball Africa League, mais les Marocains qui ont la maîtrise. Ils ont la maîtrise, Yacouba. C'est une équipe qui joue décidément, décidément Yacouba. Regarde, le meneur qui a tellement de confiance et puis il connaît ses joueurs. Et ça sent un bon meneur. Le meneur américain Jordan, et Jonathan Jordan qui vraiment contrôle le maître. Voilà, rage, la Absolument. Qui transmet cette rage-là justement à cette équipe. Absolument. Et je ne suis pas surpris parce que c'est comme ça, il était l'année passée. Et c'est un joueur qui vient de nulle part, Yakuba, qui vient ce garçon-là. Qui s'impose dans la bowl à la deuxième saison maintenant. Ne sois pas surpris euh, s'il va faire euh, des trucs spectaculaires cette année. est-ce qu'on peut aller chercher les statistiques justement durant ce, ce cette mi-temps-là entre les euh, deux équipes on, ne voit pas beaucoup de statistiques cette année, je sais pas pourquoi. Je pense que sur le site, ils sont vraiment en retard. ils sont vraiment en retard sur le site. On espère qu'ils vont régler ça. Ce n'est que le premier jeu. C'est le premier jeu. Mais ah. je, vois que le, meilleur marqueur des deux équipes, oh, ça va parmi les Ali Oujara et, l'autre là, de, Carlos. Et, nous avons, nous, avons Carlos euh, qui, euh, nous avons Carlos de l'autre côté et nous avons aussi euh, Pedro, Pedro John Lopez aussi qui a inscrit quelques trois points là-bas. en tout cas, du côté de Fils de Rabat, les joueurs qui se détachent tout de suite, c'est bien évidemment Jordan, Brown aussi par moment, Aliou qui se repose qui revient, qui il met le feu en fait dans cette équipe de, de, On le voit, hein, peut-être que c'est son rôle, le rôle que lui donne euh, Bouzidi. Mm-hmm. Je le fais reposer, il rentre, il enflamme un peu quand c'est un peu mou et puis il ressort. Euh, absolument, Yacouba, nous avons vu aussi que ça compte beaucoup. Euh, euh, ça compte beaucoup, ça compte beaucoup sur les, les, bancs. Nous avons vu une très bonne bande. Ah, il faut avoir un banc très profond. Euh, nous, avons une nous avons une très bonne bande euh, venant de cette équipe de Fous Rabat, qui ont tenu le match pour un moment bien déterminé pour donner le soufflé aux, aux cinq d'emblée. Et donc, donc voilà, on va marquer une courte pause. Hein. C'est la mi-temps du côté de la Sandbet Arena de Pretoria. 31 points pour Petro de Luanda, 41 pour Fus de Rabat qui mène donc dans ce premier match de cette Basketball Africa League saison 4. Sims Lumami nous demande de marquer une pause. Eh bien, nous marquons la pause. Where is love? People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on. Can't we all just get along? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. Cause people got me, got me questioning. Where's Yeah. What's going on with the world, mama? Where's Yeah. People living like they ain't got no mama. Where's the love? I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. Where's the love? And to discriminate only generate, hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you're preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Mm-hmm. Father, Father, Father, help us. See some guidance from above. Cause people got me, got me questioning. Where's the it just ain't the same. Always a change. Where's the love? New days are strange, Is the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's and suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now. Everybody matter to me. All races. You don't like what I'm saying? Haterade, all cases. Everybody hates somebody. Guess we all racist. Black eyed peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart. Why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground you never speak truth, then you never know a love sounds. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's wow. the love? Where's the love, y'all? I don't, I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Bye, bye help us and some guidance from above. These people got me, got me questioning. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? They don't want us to love. Love is powerful. man want me dead and gone. That election looking like a joke. And the weed man still selling dope. Somebody gotta get his people hope. Only ever This is this is the stage. This is where we are. We're in Pretoria, and we've got a wonderful special report on the 18th time Moroccan champions. Who's the Rabat? D'abord, on est content pour la qualification worked up and you get worked up and we get worked up for nothing. Yeah, I get worked up and they get worked up and we get worked up for what? Calm down. wonder if they feel it like I do. I know there is more love than there is evil. A war is just a waste of me and you. And it kills me cause I get worked up and you get worked up and we get worked up for nothing. I get worked up and they get worked up and we get worked up for what? stressing over the ball. If needed, then you can shout. My sister, look further. Yeah, you're the preserver. Time to figure it out. We keep on living in doubt. I get worked up and you get worked up and stressing over the ball. If needed, then you can shout. and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. No day on your feet harder. Keep that energy, I know. When it feels like the end of the road, you don't let go. You just press forward. You're the engine that makes all things go. Always in disguise, my hero. When we all know it's hard. There's no Voilà, retour donc au studio 12 de la Voix de l'Amérique. Nous sommes à Washington, d'ici la capitale fédérale des États-Unis. Eh bien, vous suivez cette rencontre entre FUS de Rabat et Petro de Luanda. Donc, euh, dans, cette, euh, dans ce match d'ouverture, cette rencontre d'ouverture de la Basketball Africa League saison 4, on le voit, le meilleur marqueur du côté de FUS de Rabat, eh bien, c'est bien évidemment Aliou Diaras, 11 points. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est Aboubakar Gakou qui a seulement 7 points. Donc, différence de points entre les deux meilleurs marqueurs des deux formations, différence de points entre les deux équipes, 31 pour Pedro, 41 pour Fus de Rabat. Alors, Chèque, dans une situation pareille, comment Pedro doit reparti dans cette rencontre. Et euh, Pedro doit, euh, je, sais que le coach a déjà fait ça, il a évalué les erreurs déjà, il les a expliquées. Il avait déjà changé de tactique de défense Absolument, avant même. Donc il a vu que la zone là ne marche pas avec eux. Donc l'équipe là aussi va voir qu'ils sont maintenant en train de faire le pressing. Et comment on fait ça press break, on appelle ça press break, comment casser le, comment casser le, comment casser le pressing qu'on est en train de vous faire en passant, en faisant des passes longues. Donc oh, euh, l'équipe Pedro de Londres doit vraiment faire attention parce que s'ils créent l'écart au troisième carton, ça va être difficile de vraiment les attraper au quatrième carton. Donc euh, c'est une compétition qui réduire le, score dans les clubs maintenant pour vraiment être dans le jeu. Surtout que, eh bien, du côté de Fus, on sent beaucoup de sérénité. Ça repart donc du côté de la Sandbet Arena, lancé par Carlos Moraes à l'aborda donc avec Dundao Childe pour cette deuxième partie, donc ce troisième carton entre Fusso de Rabat et Petro de Londres. Tout de suite, Cheikh, on a entendu le coup de sifflet. Une faute dans une zone où on ne trouve même pas de ballon. Absolument. Euh, il y a quelque chose. Oh, ah, je, ah il a déchiré la carte. Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est C'est pas des images comme aime, on aime voir dans, dans le basketball. Il, je que... peut, il a reçu un petit coup, sans doute. Yep. Et avec un coup, il doit, il doit sortir. Et les règles, Yakuba, c'est de, ne pas avoir le sang sur ton maillot. même s'il si, y a le sang sur ton maillot, il faut, même changer. même le maillot. Donc, euh, Il, a pris, un coup de la part de Mohamed Silla, c'est dommage. J'espère que ce n'est pas intentionnel. Sinon, ça peut lui créer des problèmes. Ouais je pense que ça ne doit pas être volontaire hein, de la part de Mohamed Silla qui a donné ce coup. Je pense qu'il voulait se. Ah oui, il a voulu se détacher. Malheureusement, son coup est resté. son coup, il s'est détaché avec le Et là, on voit les arbitres qui vont revisionner, bien sûr. De voir si c'est intentionnel. Pour voir si c'est intentionnel ou pas, il l'arbitre féminine Gerda Galtin des, États-Unis, donc la numéro 8, qui va essayer de vérifier cela. Mm. Et donc, c'est aussi ça le basket. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas l'intention de blesser son adversaire et donc les arbitres qui se conceptent. Et j'espère bien que Mohamed Silla va s'en sortir sans grand dommage, sinon ce serait vraiment dommage pour l'équipe de FUS parce que là, on voit qu'il apporte beaucoup, beaucoup pardon, à cette équipe-là. Absolument. Et donc, euh, Arnold Mousseya, l'arbitre sud-africain, et Gerarda, Gerda pardon, Galtine, donc euh, l'arbitre américain. Et donc, les trois arbitres réunis avec. Il essaie, a de faire sauter l'écran, Il essaie, il essaie, de, il, évite en fait le joueur. L'écran. Il essaie de sauter l'écran. Mais on voit les donc les arbitres vont se concerter afin de décider de ce qu'ils vont faire. Uh, Didier Gaga, le numéro 7, l'arbitre uh, rwandais. Arnold Moseha, le numéro 11, l'arbitre sud-africain, bien sûr. Gerda Galtin, donc Gatling, pardon, l'arbitre américaine, qui vont se concerter afin de décider du sort de Mohamed Silla qui a donné un coup. Nous on est estime volontaire en tout cas à ce joueur angolais qui a la carte ouverte et donc euh, blessé. Le ah, numéro 7, Ayou, euh, je pense que son nom c'est John. Il doit Lopez, John euh, Pedro Lopez. Non, pas, non c'est le numéro 10. Ah, le numéro 10, ok. On euh, voit pas le numéro 10 sur le roster. Bon. Um, ah, ce serait dommage, hein. Ce, serait vraiment dommage. Pour lui, quand même, il dommage. Je pense qu'il va revenir. Il va revenir. Et là où on craint fort, c'est bien Mohamed Silla c'est ce qui va se décider euh, pour ou contre lui uh, euh, Mohamed Silla, c'est un jeune qui est aux jambes sur les jambes et Yacouba, il est très rapide. Ah, j'espère qu'ils ne vont pas, vont vont pas le perdre. Absolument. Euh, et surtout qu'il vient de la NBA Academy, ça peut lui porter un coup dur. Hein. Absolument. Bon, ce n'est pas fait exprès comme on ouais, dit. Ce n'est pas fait exprès, mais après, bon. après, c'est les, les, adultes qui décident ce qui s'est passé. Je pense que... non pas. Donc, je ne pense pas que c'était intentionnel. On, on, va, on voit, on voit Rossel Neto qui est très agité. Ouais, parce que c'est une manière, Yakouba à un pivot de se détacher de l'écran. Voilà, ils ont faute non intentionnelle de la part de Mohamed Silla, qui a voulu se détacher, comme tu le dis, mais le coup d'attraîner. C'est le moment, c'est le pivot. Quand on te fait un écran en tant que pivot, oui, c'est ça. C'est le, haut du corps, Yacouba, il faut déplacer. Donc, c'est en déplaçant ça, son, son coup attrapé... Euh, les yeux du, joueur. donc voilà, c'est une deuxième partie qui commence oh. difficilement pour les deux équipes. Goncalves. Malheureusement, Goncalves, euh, je va pense ses coéquipiers, euh, peut-être momentanément pour se faire soigner. Mohamed Silla va rester parce que là, écoutez, la faute n'est pas du tout intentionnelle. ah oui, Goncalves, c'est le numéro, numéro 10, ils ont mis plutôt 41. Donc c'est une, erreur qu'il faut corriger. donc on voit l'arbitre Rosé Noto qui se plaît auprès de, de l'arbitre Gatley mais je pense que la décision est prise. C'est pas la peine, coach, d'insister. La décision est prise. Il faut plutôt suivre le lancer franc Le Petro. Le premier a été raté et le second, le second est bon. avec Bouimba qui réussit donc euh, son second lancé franc pour amener son équipe à 9 points de fuite du rabat. On le voit, Rossé Neto pas du tout content hein, de la décision, de la faute euh, jugée non intentionnelle. Et donc ça repart du côté de Petro. Je pense qu'il faut se concentrer sur le jeu. Et c'est ce qu'essaie de faire bien sûr Tilde Dundao qui retrouve tout de suite Carlos Moraes avec euh, à la manœuvre une fois de plus euh, Mouimba, euh, ballon perdu. nous avons vu le coach de Fousraba Rabat jeunes. Il veut vraiment un niveau de, vitesse sur le terrain. Ah C'est la, vitesse qui permet de prendre à défaut cette équipe angolaise. Il a compris très vite. Si tu regardes les deux pivots, les pivots sont. tu qui va tenter de pas. points. Non, ça ne passera pas. Le rebond sera marocain. Il s'est reparti tout de suite. Yo, là, je pense que c'est une passe ratée à. Il a la balle, Aliou Diarra, mais tout de suite. Ah, il est seul. Tout seul, il va tenter. Oh, et oui ça passe. Il a mis les trois points, à Ça passe. le numéro 7, Ayoub. Ça passe pour Ayoub Noui. Ayoub Noui a mis les trois points. 44-32. Et ça, avec ce, petit sourire en bonus qu'il nous donne, Childe, du côté angolais, ça repart avec Abubaka, Gaku, Bouimba, Childe, Childe, qui tente de contourner ce bloc défensif euh, marocain qui va réussir. Il avait lâché la balle et je pense que c'est deux points qui vont compter. 34-44 donc euh, pour euh, euh, Poufous de Rabat, C'était un très bon travail de Kildé hein. Toujours les 10, points points d'écart, ouais. Et je pense que les Marocains vont essayer de maintenir autant que possible ces 10 points de d'écart. Et ça repart tout de suite avec Jordan qui se lance pour 2 points. Deux points. Très facile. très facile, comme le dit Cheikh, avec les encouragements de son coach Bouzidi. Ils sont en défense automatiquement, Yacouba. Attaque-défense, ça repart du côté des Angolais avec Kildé qui retrouve Gaku. Gaku pour 3 points. Non, ça, ne passera pas comme d'habitude. Au rebond, Bouimba. Le bloc. Le bloc du pivot. Le jeune Mohamed Silla. Mohamed Silla, pas du tout déçu hein, par son geste tout à l'heure. Il continue de défendre comme il peut. Absolument. Il apporte tout ce qu'il peut. Il va d'un queue et ça passe. Ouais. voilà, c'est fort du côté de Lopez. Aliou Jara n'était pas au-dessus du racket. Pas, pas du tout. Et donc, euh, c'est Yannick Pires Morera qui a fait ce dunk. Qui dunk donc et qui permet à son équipe de revenir à 8 points. Il remonte le, le ah, bloc. Le, le, Mohamed Silla qui bloque d'abord pour un premier temps et La balle à l'attaque. Le numéro 2. Yakuba, un autre 3 points. Le numéro 2, Kendrick Brown. Le meilleur américain. Je pense que les, les Angolais ont des attaques beaucoup plus organisées. En fait, les, les Marocains. Les Marocains, absolument. Le coach, qui connaît son équipe. Il s'arrache, Le coach connaît son équipe. Le coach marocain connaît son équipe. Le Petro aussi essaie de répondre. Ah ouais. Le Pedro répond 3 La réponse est là. 3 points tranquilles d'encore. De Carlos Moraes. Carlos, Carlos a mis ces 3 points là. Qui permet donc à Petro de revenir à 10 points d'écart. Yacouba, Petro est en train de toujours se battre. Je pense que ça s'enflamme un peu. Absolument. parce que c'est le troisième carton. Absolument. Le carton de la vérité, pas encore. Le carton de la séparation. La séparation. Ouais. <laughs> troisième carton, c'est le carton de la séparation. La vérité, c'est au quatrième carton. Quatrième carton, absolument. Donc, ah on voit encore. Ah là là Carlos. C'est très bien ajusté. C'est très joli. C'est très ah, joli, Yacouba. C'est très beau. Il nettoie totalement la raquette avec les encouragements de ses coéquipiers sur le banc de touche. Mais toujours 10 points d'écart, Yakuba. Donc ça, veut, ça montre qu'il y a une compétition très très élevée. Tout de suite, Aliou Diarra sur la ligne de lancer franc pour Fus de Rabat. C'est un premier lancer réussi sous le regard un peu tranquille de son coach Bouzidi. Voilà, c'est bien euh, maîtrisé. Aliou Diarra a mis ses deux lancers et la balle avec Petro maintenant. Carlos Moraes qui va qui essayer de remettre la machine angolaise en place. Voilà cette passe à destination de Gakou ratée. Récupération de Gundao avec Gaku qui se lance. un non, bon pas du tout Gakou. Eh bien, c'est... Moreira montre qu'il y a l'esprit de ah, cette équipe. Je pense que là, il commence à revenir. Carlos Moraes qui met encore un 3 points Yakuba. Ça, c'est 6 points en moins de 2 minutes. Ça m'étonnerait que le coach de fils ne demande pas un temps mort. Euh, ça, c'est 6 points moins de 1 minute Yakuba. 6 euh, points pour lui, point de minute, c'est remarquable, ah euh, Ils ont le rythme avec euh, l'arbitre Jeddah Gatling qui tient la balle et qui va sans doute relancer les choses. Sur la ligne de touche, c'est bien Kendrick Brown. Carlos a 12 points, 11 points déjà. Et Carlos il qui a le petit sourire au coin parce qu'il sait que son équipe est en train de revenir. Ça repart tout de suite. au fils. Avec Kendrick qui va retrouver son coéquipier américain Brown. Mohamed Silla. <laughs> Kendrick. Mohamed Silla. Non, ça ne passera pas. Il y a eu le coup de sifflet avant. Euh, je pense qu'il a sauté sur la ligne, Yakuba. il a sauté son, pied, son pied était sur la ligne qu'on a en perte de Il, faut le comprendre, il est assez jeune, il apprend. Uh, uh, ah oui, c'est ça. Euh, Et tout de suite, ah, les Angolais qui se réveillent. Non, ça ne passera pas. ils ont appelé la faute. Je pense qu'ils bénéficient d'une faute, tranquillement. je pense que c'est Mohamed Silla. Mohamed Silla qui doit se méfier parce que là, Yakuba, souvent, il ne faut pas euh, confondre vitesse et précipitation. Et en nous voyant une équipe, euh, les pivots de euh, sont tellement vives, que les pivots de, de, de Petro. ils ont sur les jambes. Donc, quand il est comme ça, il peut sauter. Tu vois, comme il saute trois fois avant même que le pivot, l'autre pivot saute. Donc, Mohamed Gaku sur la ligne de lancer franc, le premier, s'est raté. Je pense qu'ils ont fait sortir Silla euh, parce que Yakuba, le coach s'est souvent fait jouer les joueurs comme ça pour faire fatiguer les pivots. Parce que si tu les marques. le deuxième est passé. Et tranquillement, Cheikh, Petro revient à 8 points. 8 points, et il revient à 8 points la balle est avec Avec Kendrick Brown qui va tenter le shoot Encore. Non. Ça, ça sort. Encore la balle Heureusement pour les Marocains qui vont bénéficier de cette rentrée de touche-là. La balle reste le numéro 5 la balle reste marocaine parce que Chili Doundao, je pense qu'il n'a pas touché, mais son coéquipier a touché avant. Et donc la balle reste yeah. Il est avec cette équipe marocaine. depuis au début, hein, Ah oui, c'est de Sata je parlais. Yeah. Les 3-4 d'emblée sont, sont, sont, avec eux depuis le début. Ah. Knocked out of bounds. Possession back again. 5.54 in the third quarter. Uh, ah, c'est un match euh, qui va se jouer Yakuba, On voit le Fous qui a la balle au-dessus de Petro, sur, le de Petro. Je pense que c'est assez tranquille hein, pour, pour, Il ne s'affole pas, c'est là aussi. Et voilà, ça joue très vite, très vite du côté de Fus avec Mohamed Silla. Absolument. Uh, euh, Qu'est-ce qu'il va faire Il va tenter. Ah, c'est tranquille. C'est tranquille. Il ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Ça passe, ça passe tranquillement pour ces Marocains-là. Yacouba, les Marocains. Qui se retrouvent et qui font mal à cette équipe de Pedro jusqu'ici en tout cas. encore et la faute. Non, c'est difficile pour Childe Dundao. Dundao, il ne, laisse pas les matchs, les paniers faciles à Dundao. Numéro. Ah oui, le 15. le 15 le numéro Soufiane. Benmin. qui réussit donc ce beau shoot à 3 points qui permet à son équipe de reprendre l'avantage avec 11 points d'écart pendant que Tilde Dundao est sur la ligne de lancer franc pour les Angolais. Ça passe bien évidemment expérience, sérénité, tranquillité. Il ne s'affole pas. Absolument. Avec le regard un peu inquiet de son coach José Noto. Absolument. Tilde qui se lance encore pour une deuxième fois. Ça ne passe pas. Récupération. a pris le rebond, il a perdu. Kaku a vite fait de récupérer cette balle-là et de remettre à son meneur Tilde qui se remet dans le sens de la marche et qui n'a que peut-être 5 petites secondes pour lâcher. Sinon, Moraes qui va chuter. Moraes, 3 points.